moo ci sëfër rek dañoo war a xool li ñuy joxe permis yi xam nga yaa gën a xam sëfër si moom war nañoo am yar te nit ñi dawale waaw loolu la rek. ñi dawalee daal waaw dara nag. Uh-huh. léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy yëg ci oto chauffeur yi loo wax. ñi xam ne. ñoom ñooy yëg ci oto chauffeur yi loo leen di wax. non chauffeur lépp chauffeur la rek chauffeur yi ñoo maam ni ñuy joxe permis moom la ñu war a xoolaat permis ni ñu ko joxe moo dul yoon permis yi dañoo xool dañoo war a xool baax ni ñu joxe permi loolu mooy yoon quoi mais du ku tëb rek ñu jox la permis léegi tey boo leen doon ñaax lan nga leen non kam lan. boo leen doon ñaax ñoom chauffeur ak ñi nga xam ne ñooy dugg ci oto chauffeur ñu jë ñi bu doon ñaax li ñuy ñaax mooy ñi joxe permis daal loolu laa ñaax ñu xam ne ñuy joxe permis xam nga duñ tëb rek ku ñëw rek ñu jox ko permis am ñoo xam oto ñu xëy jox leen permis comprendre nga loolu jaadul quoi bala ñuy joxe permis xool nan lañ joxe permis ñi nga xam ñoom lañ jox permis mu gën quoi mais du ñëw rek jox leen permis ñuy daw ci télé def jëy ak chauffeur yi tamit am ñoo xam amuñu yar ana booy xam amuñu yar ci dawal gi quoi tax. waaw loolu moom. waaw ñu xale xam amuñu yar ci tali xam nga ci tali bi bu ñu jëlee dawal dañuy mel ni koo xam xam nga yaa gën a xam. attendre les, les, les taximans et les clandos et les trucs qui ont ramené pour mon, mon Je suis désolé hein? moi je m'en fiche. Je dis ce que j'ai à ce que je pense. Euh, sensibiliser les gens. Déjà, même les citoyens, hein, même nous aussi, hein. Ben, les passagers aussi c'est pareil. Hein. Parce que souvent tu vois, des nuits de pont, au lieu de qui tombe, des nuits de qui s'ouvre. Donc on doit savoir si c'est de lard ou du cochon. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Et les, non, les citoyens sont indisciplinés. Les chauffeurs sont indisciplinés. pardon peu bien. Hein. Côte de la route, ben, euh, je crois qu'ils ne respectent même pas. Ils ne respectent pas les codes de la route. Parce que souvent tu vois quelqu'un qui débouche à droite pour aller à gauche, qui débouche de gauche pour aller à droite. Et on ne sait plus si c'est de l'art ou de cochon. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, selon vous, comment faire pour éviter les accidents Mais ben, Comment faire pour être sévère sur la route Surtout les policiers, il faut qu'ils soient sévères, les gendarmes soient sévères. Éviter la corruption. Éviter la corruption, parce qu'il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui sont corrompus. Les hommes a waxee ce permis tu vas à des kilomètres pour parler pour leur donner. c'est vraiment jamais tout va dañuy de loolu dois quand tu es sur la route, si tu, euh, fais ce que tu vois sur la route, il n'y a pas de problème. Mais si tu déconnes, ils sont là, tu te mets sur le chemin, le bon chemin. Tandis que s'il y a trop de corruption, surtout là, voilà. Voilà.